ndakaaru beri ay bërëb yu ñu bàyyi noonu ba ay nit ñu amul fu ñu dëkk dal di ko def dëkkuwaay terrain bi nekk ci ginnaaw permanence PDS ci cité kër góor gi ci la bokk. fii moom ñi ñuy tuddee ay buujumaan mooy ñiy wër di foraatu ñoo fi faral di ñëw yenn saay ñu jël lu leen tàggale ak seen sago ba xeex am ci seen biir samedi yamook benn fan ci weeru ut bi juróom-ñeenti waxtu jotee ba tegal ñaar ci ñoom ñoo fa xeex ba ak lor nar cee am gune gi dawal kati seret la yam ci xeex bi man euh, monima la bon sur ke bi sax dama dam bay egsi tombé euh, dama dam après ba may tolloog bitik bi ci angal bi après ma gis le ñi ngi xex wa jamante ay paga après ngeup ay carton yoy ci la ñew att len quoi après ma ay len ñi bañ may egg ci kaw après ma o sama grand bi ma am ko ñu ne dafa génn quoi dam birig ba dafa orange mënu yoon quoi après si la ñuy benn waay monsieur Tall xom après romb ñu fii monsieur Tall wàcc après ñëw euh, non dafa boo ko dee xaw fan fan la boo daal après bay tourné nii rek bëgg mbëkk après beneen buujumaan bi ñu ne ko dafa ndànk quoi après maam kor kii ko torche bi quoi mu mu wàññi mu ne fii maam ko expliquer ko après ci la o gars ap na tango jitu ko ci metier mi di deugal limu wax. non affaire bi sax dafa fekk ma dem boutique orange money ba pour yobante xaalis legui nak tout juste bima ma ma fekk waa ji teral ko fële ci ci lendam bi nonu di ko jamate mu waccé ci la monsieur tal yexi tombé ci après ci la wo police ñom sapeur pompier ak ñoo ak suma aussi. Nam ci beccëk bi lañu wax ak mom Euh, ce qui s'est passé ça s'est passé aux alentours de 21h30 Je suis rare avec mes amis de Nibisi. Euh, en je may j'ai été alerté par un groupe de personnes Il y aurait yore torche Il y une alors ma ralentir taxaw j'ai vu qu'il y avait un individu il baignait sous son sang kanam bi yep am ay jamante alors ma avancé pour jouer la prudence touti ñu ne ma non am na ku tëdd ci suuf boo nga fiir ko ma taxaw wacc ne len qu'est-ce qui s'est passé ñu ne ma dañ doon jamante fi ba kenn ki mi ngi waja dé ngir bañ ñak bakkan am ci mu def katanam ngir secours yi ñew nam sax jafe woon na. j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le, le, commissaire de, de Dieppel. Lui aussi, il a été très réactif. On a, je vous envoie tout de suite euh, l'adjudant mon adjudant avec les sapeurs-pompiers. Donc euh, il m'a donné le contact de l'adjudant. Pendant que l'adjudant était sur la route, moi, les urgences. Donc j'ai appelé euh, euh, Souma, qui est à côté. Ils sont à un kilomètre et demi d'ici pour qu'ils envoient une ambulance. malheureusement, ils m'ont fait attendre après parce qu'ils avaient besoin de l'approbation du du médecin qui était de garde. le, médecin de garde, une fois qu'il m'a eu au téléphone, il m'a raccroché une première fois au nez. J'ai insisté pour l'avoir une deuxième fois mon mon médecin. Il faut que nous le médecin est keureum indico le deuxième médecin man rek Donc est-ce que nous allons 15 15. Alors j'ai trouvé ça un peu aberrant par contre euh, pour quelqu'un qui est en danger, qui est entre la vie et la mort. Alors j'ai appelé euh, m'ont raccroché, WO 15-15, ils n'ont ils, pas décroché. Euh, cinquième attente, ils 15-15, lequel est décroché, ils m'ont appelé le 18. Donc, pendant tout ce temps, le gars, il perdait beaucoup de sang, tous les deux d'ailleurs, et j'avais eu très peur, j'étais vraiment sous la pression. ci la adjudant Kayunga du commissariat bu accès à ASP ni mu premier soin. du coup euh, quand l'adjudant est descendu de son véhicule il a constaté les faits il me dit monsieur on ne peut pas les transporter comme ça il faut l'assistance euh, euh, de l'ambulance ou les sapeurs-pompiers mais comme ils tardent à venir ou on ne sait pas mieux vaut sauver les vies est-ce que vous avez une paire de gants chez vous donc c'est mon cœur. je suis sorti avec une paire de gants en même temps les charretiers qui étaient là ils sont tous à côté ni sachets en plastique avec euh, boutique à côté ils ont aidé les policiers à transporter le gars et l'autre aussi les deux personnes à, et les acheminer vers Souma encore une fois policier policiers m'ont Souma pour les pour leur dire qu'on arrive j'appelle le même docteur pour lui dire que il n'y a pas de lit ici on ne peut pas les accepter il faut les amener à l'hôpital alors Là, j'étais un peu. mais le gars, il est entre la vie et la mort. Même s'il est entre la vie et la mort, il y a un protocole. J'ai trouvé ça très aberrant et vraiment, ça m'a choqué pour, euh, euh, pour de vivre une situation pareille. Euh, donc, les gars, ils sont partis finalement à l'hôpital Fan. Sur le chemin de l'hôpital Fan, l'adjudant m'appelle, il me dit Monsieur, est-ce que vous pouvez avertir l'hôpital J'appelle l'hôpital. Et euh, c'est un monsieur sec qui décroche. Je me présente, je lui explique un peu la situation. Et il est parti à la porte accueillir la voiture de la police avec euh, les victimes qui étaient dedans et il les a admis euh, aux urgences. waaye adjudant Kayunga Mungi ngi ak hôpital principal Fala tok ak ñom fukki waxtu ci guddi ba juroom benn waxtu ci suba fay na fa sax ordonnance ci posam ginaaw gi. ñu yëg ni ñaari buujumaan yooyu yoon def na liggéeyam ci ñoom ngir xeex bi nga xam ni ñu ngi ko doon xeex ci biti ak ngànnaay takk der bi naam def na ak njàmbarte ngir rawale bakkan waaye terewul ñi dëkk te kër góor gi ci wetu OFNAC bi ginnaaw këru PDS gi war na ko seetaat li koy firndeel mooy bi ñu fa demee fekkaat nañu fa ay bujumaan kenn ci ñoom sax di weddi ni dañuy faral di jàppante ci seen biir. may faral di fréquenté fii loolu fekkuma fi sax yaa ma dégg ci élection bi ma ñëw laa laa ci am dëgg-dëgg jour boobu fekkuma fii mais ci élection bi ma ñëw laa ci am dëgg-dëgg man de ma bokkul si jamante bi sax jamante bi boobu fekkuma fi yaa ngi may dégg bu baax mu ngi fi soog am tey ñi koy def ay mbokk la ñu sax ci loolu mun a wax waaye loolu mosu fi am dawalkati sareet yi fa def ñoom seen wàccuwaay di ragal ñu dëkkal leen fu ñu dëkkul ak lu ci mënti am jot nañu war a jëf-jëf ngir fànk bépp musiba ci bërëb bile